Déjà, un mécanisme avait été prévu par les commissions administratives pour pouvoir permettre aux personnes déplacées internes de pouvoir exercer leurs droits. Et ces personnes-là se sont vues affectées des bureaux de vote malgré qu'elles ne sont pas dans leur localité d'origine. Et des bureaux de vote ont été prévus sur la commune de résidence. Malgré qu'ils proviennent d'autres communes, donc des bureaux de vote vont être installés au nom de leur commune d'origine ils vont voter dans des bureaux de vote qui vont correspondre à des bureaux qu'ils sont censés pouvoir, disons, utiliser dans leur commune comme s'ils étaient sur place. Et la commission va se charger de collecter ces données-là pour pouvoir les acheminer dans la commission d'origine, pour pouvoir les traiter et les prendre en compte dans cette commission. Euh, pour ces chiffres, honnêtement, vous savez, le problème avec les questions de déplacés internes, c'est des personnes qui peuvent aller et revenir. On n'a pas un chiffre exhaustif exact à l'heure actuelle. nous sommes à pied d'œuvre pour prendre les mesures sécuritaires qu'il faut, parce que c'est ça d'abord la priorité. Et ensuite, le droit de vote va être assuré à la suite des mesures de sécurité qui vont être prises.